Pouvons nous tenir debout pour prier Seigneur Père Céleste, nous te remercions pour cette euh, étude de ce soir. Merci parce que tu nous as réunis ici pour une raison particulière. Nous prions que Seigneur, que toute personne réunie ici, toute personne assise ici, que ta bénédiction vienne sur elle au nom de Jésus. Nous demandons que ton esprit vienne sur nous puissamment et qu'il parle à nous tous et à toutes. Et ça va percer tout, tout cœur et ça va enlever tout cœur endurci au nom de Jésus. Nous prions, nous demandons que quand nous venons devant toi, que nous allons réaliser que, que, nous, que, nous, que nous sommes en train de t'espérer, nous allons t'honorer, nous allons t'adorer et nous sommes contents, nous sommes, nous réjouissons de comprendre de toi, d'essayer de ta parole et que ta parole vienne sur toute personne assise ici et que tu nous bénis tout au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que ceux qui écoutent ta parole et ils ne sont pas nés de nouveau, Seigneur, que tu les attires vers toi et par la grâce de Dieu, donne-leur la grâce, la foi de comprendre, de croire à toi et ils vont savoir que c'est toi qui le sauveur au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que nous sommes sommes sanctifiés par la vérité et à travers la vérité, nous sommes sanctifiés. Nous prions que le désir d'être sanctifié, le désir, le vouloir d'être sanctifié donne à tout un chacun de nous au nom de Jésus. Nous prions que Seigneur, que notre voix ne soit pas vide ne soit pas vide, mais que en entendant ta parole, que cette parole illumine, dans tout un chacun de nous au nom de Jésus. Papa, bénis tout un chacun de nous à, à un moment que nous écoutons ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Aujourd'hui, nous regardons à la parole de Dieu 15 nous lisons à partir de euh, Apocalypse chapitre 15 euh, actuellement, c'est le chapitre le plus court et ça, il, y a une, il y a une connexion entre nous. Et ça, ça une grande connexion sur le chapitre suivant. Et ça nous dit que, euh, et ça nous donne une assurance que le temps arrive quand Dieu va juger les adorateurs du diable ceux qui adorent l'antichrist, ceux qui adorent la bête, et il y aura la grande tribulation pendant la, euh, la grande tribulation, quand le, le, jugement de Dieu viendra, et il y aura un grand triomphe. Ceux qui sont nés de nouveau seront aussi en ce moment et qui gardent la volonté de Dieu, gardent la, la ce qui la sainteté de Dieu, ils seront au ciel en ce moment. Et ça nous donne les détails, les détails, ce qu'il va arriver, qu'il y aura le châtiment de Dieu qui va arriver à partir, à partir de la dernière partie de la grande tribulation. Et, et nous, et nous qui entendons, nous qui apprenons de selon de la sobriété qui va arriver. On va aller maintenant à, à Apocalypse chapitre 15 à partir du verset 1. Et j'ai vu un autre signe dans le ciel, quand et, grand et merveilleux, cet ange ayant les sept dernières plaies, car en elle est « Condamner, consommer la, le courroux de Dieu et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête et sur son image et sur sa marque et sur le nombre de son nom se tenaient debout sur la mer de verre ayant les harpes de Dieu. Et ils chantaient des cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu, et les cantiques de l'agneau, disant Grande et merveilleuse sont les œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, jusqu'à Juste et vrai sont les chemins, toi, roi, roi des saints. Qui ne te craindra, ô Seigneur, et ne glorifie pas ton nom, car toi seul es saint, car toute car toutes les nations viendront à, et adoreront devant toi, car tes jugements sont rendus manifestes. Et après cela, j'ai regardé, et voici le temple du tabernacle du témoignage dans le ciel fut ouvert, et les sept anges s'ouvrirent, sortirent du temple, ayant les sept plaies, vêtus de l'impur et blanc, et ayant leur poitrine sainte et ceinture d'or, et l'une des quatre bêtes donnant aux sept anges sept fléaux d'or cette fléole euh, cette fléole d'or pleine de courroux de Dieu et qui vit pour toujours et à jamais. Et le temple de, de rempli de fumée provenant de la gloire de Dieu et sans pouvoir et aucun homme ne fut capable d'entrer dans le temple jusqu'à ce que cette plaie ne C'est ce que nous regardons aujourd'hui. aujourd'hui. Et ça nous parle de la, de, de, nous parle de la quoi La couleur finale. Ça nous parle de la, couleur pleine, la couleur finale, la couleur pleine, la couleur complète de Dieu. Et quand les gens qui, les gens qui vont rester sur la terre après l'enlèvement, ce qui va arriver, et ils vont voir l'indignation et la douleur, la, le punishment de Dieu sur les, la, les gens qui, les gens qui ne, qui ne pas Dieu quand on parle de la couleur de Dieu, on ne parle pas, seulement, ce n'est pas autant du moment de la grande tribulation. On parle de la croix et le jugement de Dieu féroce. Ça vient de toute, personne qui n'adore pas Dieu, qui les gens qui ont vécu, les gens qui ne même les gens qui n'ont pas marché selon Dieu avant notre ère, ceux qui ont marché et les gens qui ont aussi vécu dans l'ère de Jésus-Christ et ils ont aussi ils ont aussi subi la couleur de Dieu, la vengeance de le punishment de Dieu, le pan, euh, euh appelle euh, la punition de Dieu. Alors ils étaient là. C'est ça qu'on nous appelle quand on Est-ce que vous avez lu dans Genèse 16 Genèse 16, Genèse 16 nous avait, nous parlé. Genèse, Genèse 16 nous a parlé de la, de la couleur de Dieu. Vous avez lu aussi en Genèse, Genèse 17, on nous a parlé euh, et en Exode. Euh, la couleur de le jugement de Dieu est venu sur eux parce qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu, ils n'ont pas obéi la volonté de Dieu. Et même les enfants d'Israël n'ont pas obéi. Comment ils n'ont pas obéi à la volonté de Dieu et le jugement de Dieu est venu sur eux. La couleur de Dieu est venue sur eux parce qu'ils n'ont pas voulu, n'ont pas marché sur la volonté de Dieu. Et en ce moment, quand les enfants d'Israël ne voulaient pas comprendre la voix de Dieu, ils ne voulaient pas marcher selon les volontés, la loi de Dieu et les persécutions, les les des doctrines de Dieu, alors Dieu versa sa colère, ce qui eux. Alors, regardez pour Somme, pour Somme, pour, pour, Somme, Dieu indique, il dit que nous devons servir Dieu, servir Dieu, nous devons servir Dieu avec toute notre volonté et servir lui avec tout ce qu'il. C'est pourquoi nous dit dans Somme 11, le verset 17. Somme 11. 17, il dit, dit que nous devons servir Dieu, certains Dieu avec tout ton cœur. il dit que, la, couleur de Dieu ne se limite pas seulement sur cette terre. Et il y aura aussi, après le la grande tribulation, après, la grande le, le, le punition de Dieu, euh, 9, psaume 9, 9, verset 17. Psaume 9, verset 17, il dit quoi Que il dit la parole de Dieu que nous devons marcher sur. Et la, psaume, 9, verset 17. Et ça, il dit que les hommes immoraux seront dirigés jusqu'en enfer et toutes les nations qui oublient Dieu. Ça veut dire que et tous car les nécessités ne seront pas toujours oubliées D'entendre les pauvres ne périra pas pour toujours. Ça veut dire, quand nous disons Séphanie, dans dans il la, la, la, volonté de Dieu. va juger, il va juger, il va juger le monde et, il va juger et tu qui vont, on va juger la volonté et Dieu ne sera pas content de tout ce que, qui font le péché. Alors Dieu sera euh, furieux, il ne sera pas content de ces personnes qui sont qui font le péché, les gens qui font le péché les gens qui font le malaise, les gens qui font mauvaises choses, alors le, jugement de Dieu, ce jugement de Dieu qui va arriver sur les enfants, sur ceux, qui ne sont pas nés de nouveau. Et c'est là-bas que Dieu va juger toutes ces personnes. Dans, dans, dans Sophonie Sophonie 1, le verset 14, il dit Le grand jour du Seigneur est proche et il est proche et il, se hache grandement. Et même la voix du jour du Seigneur, l'homme puissant créa à la mer. Vous voyez, on parle de la complète, complète, le, la finalité de la, de, de, de, la couleur de Dieu. On parle des choses en haut, des choses de, d'autant, et ça va arriver à toutes ces personnes, et ça va arriver après tout que la grande tribulation. Et le verset 18, il dit, ni leur argent, ni leur or, ou leur, ou, ou ne, ne, pourront les délivrer au, au, euh, or, au jour de la colère du Seigneur. Mais tout le pays sera dévoré par le feu de sa jalousie, car il se débarrassera rapidement de tous les habitants du pays. Quand nous ouvrons les pages de du Nouveau Testament, les, les, gens du Nouveau Testament ne sont, ne sont pas, n'étaient pas ignorants. Ils savaient la volonté de Dieu et il savait que euh, le Jean-Baptiste était clair. Il était aussi un, quelqu'un qui était euh, digne de la parole de Dieu. Il savait ce qu'il va dire. Il va le dire et il parlait de ce qui va arriver. Parce qu'il savait que l'aventure de Dieu va arriver. Et ce qui va arriver, il disait ne, vous ne devez pas faire sur ce qui vous a monté. Ça veut dire qu'il savait même. Vous allez voir que les, les gens du Nouveau Testament, eux aussi savaient ça. Ils savaient que, la, couleur de Dieu va verser. C'est pourquoi il dit dans Matthieu, dans, Matthieu 3, le verset 7, il dit que, mais quand il vit venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, ô génération de vipères, qui vous a averti de fuir le courage, le courroux à venir dans Jean 3, verset 36, Jean 3, Jean 3, le verset 36, Jean 3, le verset 36, vous allez voir ce qu'il dit encore, il dit, euh, Jean 3, verset, il celui qui, a, qui croit au Fils de l'homme à la ville euh, septante, eh, sept, éternelle et celui qui ne croit pas, euh, croit pas le Fils ne verra pas la vie éternelle. Dans Romains, dans, dans Romains 2, dans Romains 2, on nous parle aussi selon, on parle, on parle aussi de la colère, on nous parle du jugement, la fureur de Dieu qui va arriver. Romains 2, verset 8, il dit, mais envers ceux qui sont euh, content, contentieux et qui n'obéissent pas à la vérité, mais qui obéissent à la, à l'injustice, l'indignation et le courroux. La, ce qui vient le truc du le courroux, voyez? Quand, maintenant, c'est le moment de la grande tribulation. Quand Dieu que nous apprenons à, selon, concernant la grande tribulation, c'est que il y aura quoi la colère et la colère. Quand nous venons dans à, euh, ce qui va arriver. Et c'est pourquoi on dit dans, dans Apocalypse chapitre 15, Apocalypse chapitre 15, le verset quoi? Le verset 7. Il dit la volonté de, de la, grande et c'est l'une des grandes bêtes donnant aux 16 anges cette fleur d'or. Ça va arriver. Le jugement, le, la punition sur les gens qui, qui, vont sur la voie du démon. Et, euh, chapitre 6, 6, 6, 15. 6.15 d'Apocalypse, 15 d'Apocalypse, et les rois de la terre, et les grands hommes, et les hommes riches, et les captifs les capitaines en chef et les puissants hommes, les puissants hommes, et tout, eh, et, homme asservi et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les roches des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et du courroux de l'agneau, car le grand jour de son courroux est venu. Quand nous venons dans, un cet apocalypse sur Apocalypse chapitre 15, euh, le verset 1 à 8, on va voir la colère complète et finale de Dieu, la colère qui va arriver sur les gens qui ont oublié de Dieu, les gens qui n'ont pas euh, euh, honoré Dieu. On a, vu, on a lu le chapitre 15, on va voir ce qui arrive. On voit qu'il y avait sept, qui avait les sept, les sept fléaux les sept fléaux qui vont accomplir ce que la volonté de Dieu et ce, ce qui va arriver sur eux. Ils vont, ils vont chanter, ils vont se réjouir parce qu'ils ont la vingtaine à partir de, la dernière partie du chapitre, il dit Et les temples furent remplis de fumée provenant de la gloire de Dieu et de son pouvoir. Aucun homme ne fut capable d'entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept pleines sonnent. C'est ça que nous regardons. Quand nous regardons cela, le détails, à partir de Apocalypse chapitre 15, le verset 1 à 8, hein, je partage le message en deux parties, en trois parties. Premièrement, les sept fléaux les sept fléaux de vengeance et de colère. Numéro 2, le, chant de la victoire et du culte et d'adoration. Numéro 3, la, source de puissance, la source de puissance, la source de puissance et la colère de Dieu. Regardons regardant Apocalypse Apocalypse, chapitre 15 maintenant. nous au euh, partie 1, euh, pour le point numéro 1, les sept fléaux de vengeance et de colère. Euh, il dit euh, et, j'ai vu un autre signe dans le ciel, un grand et merveilleux, cet ange ayant les sept dernières plaies, car en elle est consommé le courroux de Dieu. Paul a écrit ça. Et, euh, Jean dit, j'ai vu un signe dans le ciel. Et c'est un signe dans le ciel. Ça veut dire que un merveilleux, un prodige. Et c'est calculé de pouvoir prendre et de tenir la, la, le changement de Dieu. Et ça a été dit par le Jean, l'apôtre Jean. Et ça montre, c'est un signe de, de, de, prodige qui montre le, le jugement qui va arriver sur la terre, sur toute la terre. Il dit, c'est quelque chose qui va, qui, qui, qui, va, qui va te merveille, qui va, qui va t'étonner. Quelque chose merveilleuse, quelque chose merveilleux et prodige c'est quelque chose qui est présenté, qui, qui vient du ciel. Parce que le jugement vient de Dieu, ça vient du ciel et ça tombe sur le monde. Le monde qui n'a pas né de nouveau, le monde qui est le, monde qui reste sur, le, sur la terre à, au moment de la grande tribulation. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils seront tellement, euh, euh, euh, ils seront tellement, ils seront tellement surpris. Et ça sera une grande. Et il, dit, il, est rempli de la, de la couleur de Dieu. Vous voyez que maintenant, quand vous regardez à les anges, quand vous étudiez les anges, les anges vous allez voir que quand un ange vient dans sur un, un, un, un, croyant, il vient pour le pour, la, pour le servir, il vient pour, il vient pour le, présenter. Il y a, mais ces anges ici, ce sont des anges qui sont des anges de jugement et des, des sept fléaux, ils viennent pour envoyer l'affliction sur les habitants, les habitants du, c'est ceux qui n'ont pas, ceux qui, ceux qui suivent la l'Antichrist durant la grande tribulation. Et c'est sur mais à ce moment, la, la, fureur de Dieu, la couleur de Dieu va tomber sur ceux qui ne croyaient pas en lui, qui n'ont pas cru à Dieu. Alors Dieu, Dieu marche, Dieu fait beaucoup de travail pour pouvoir sauver les gens qui n'ont pas, les gens du monde. Mais ceux qui ont endurci leur cœur, n'ont pas voulu se repentir. Alors Dieu, la couleur de Dieu va venir sur eux. Apocalypse chapitre 15, le verset 1 maintenant, on dit Et j'ai vu un autre, un, autre, un autre signe dans le ciel, grand et merveilleux. Vous voyez, et il dit maintenant, il dit, il dit Je vois un autre signe, un signe. Et ce signe était grand et merveilleux. Sept anges ayant les sept dernières plaies, car, car en elle est condamné, consommé la, le courroux de Dieu regardez dans Apocalypse chapitre 16, vous allez voir la performance de ces anges. Et ces sept anges continuent de verser de, la, le courroux de Dieu, le courroux de Dieu. Ils continuent de verser le fléau, le courroux de Dieu, le, le férole et le courroux de Dieu. Verset 1, il dit, chapitre 16 de Apocalypse, le verset 1, il dit, j'ai entendu une grande voix venant du temple disant aux sept anges, allez et répandez sur la terre les du courroux de Dieu. Voyez, et le premier s'en allant et répandit sa férole sur la terre, et il tomba un ulcère nauséabond et douloureux sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui adoraient son image. Verset 3 Et le second ange répandit la fléau sur la mer, et elle devint comme le sang d'homme mort, et toute âme vivante mourut dans la mer le, troisième, le troisième, le, second a répandu sa férole et c'est devenu le sang. Et elle devint comme le sang d'un homme mort et tout vivant d'eux. Et qu'est-ce qu'il disait le, troisième, hein, le, troisième, le troisième ange répandit sa fureur sur les fleuves et les sources d'eau et des vernes du sang. Numéro 5. Et j'ai entendu l'ange des eaux dire Tu es droit, ô Seigneur, qui est, était et sera, sera et jugé ainsi. Car, verset 6, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné le sang à boire, car ils en sont dignes. Et j'ai entendu un autre depuis l'autel dire Oui, certainement, Seigneur Dieu, tu es puissant, vrai et droit, son jugement. Et le quatrième ange, le verset, 7, il dit Et j'ai entendu un autre depuis l'ange dire Oui, ça veut dire que quoi C'est l'antichrist ici. Et oui, c'était l'antichrist avait rempli de, de, Il est très rempli de sombreté. Et il dit maintenant dans le verset 12 Il dit Et je vis trois esprits et le quatrième ange, verset 8 plutôt, et le quatrième ange répandit sa fleur sur le soleil et le pouvoir lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et le verset 17 maintenant, le verset 17, il dit maintenant, et le septième ange répandit sa fleur dans l'air, et il vint une grande voix hors du temple du ciel provenant du trône, disant, c'est fait. Et verset 18, il dit, et il eut des voix et des tonnerres et des éclairs, et il eut un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a pas eu depuis que le monde, les hommes sont sur la terre, et un tremblement de terre si puissant et si grand. Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombaient, et la grande Babylone revint en mémoire devant Dieu pour lui donner la coupe du vin de la férocité de son courroux vous allez voir ici que ces sept euh, anges ont versé la couleur de Dieu sur cette le jugement, l'indignation, la fureur, et seront versés sur, les gens qui vont rester sur la face de la terre. C'est clairement ce qui est nouveau. C'est ce qui est nouveau quand les gens qui sont ignorants de du temps qui va arriver, les, les de la grande tribulation, et beaucoup de choses seront désorganisées, désorganisées et le temps de Dieu, le, le, le soleil ne va pas briller, le, la lune ne va pas briller encore et encore le jugement de Dieu viendra sur la terre. Ce ne, pas que, ce, ce ne sera pas qui est nouvelle, mais parce que non, ce n'est pas, pas chose qui est nouvelle, ça a été depuis la depuis puis le Nouveau Testament, parce que euh, et, et, non, parle de ça, Ézéchiel, a parlé de ça, Daniel a parlé de ça, euh, Zéphanie a parlé de ça, Sophonie a parlé de ça, Daniel a parlé de ça. Et retournons dans, regardez un verset euh, à Esaïe, Esaïe, Esaïe, Esaïe, Esaïe 13, Esaïe, 13, Esaïe 13, verset 9. Esaïe 13, le verset 9. Verset 9, il dit, Voici le jour du Seigneur arrive, cruel avec fureur et ardeur de courroux, pour réduire le pays en désolation et en exterminer les pécheurs. Car les étoiles du ciel et les constellations ne donneront pas leur lumière. Le soleil sera obscur à son lever, et la lune ne fera pas replandir sa lumière et je, le monde pour sa malice, et les pervers pour leurs iniquités, et je ferai cesser l'arrogance des fiers, des filles, et j'abaisserai les hauteurs des redoutables. Et je ferai qu'un homme sera plus précieux que leur fin, c'est-à-dire un homme plus qu'une selle, d'une cale dorée d'offrir. C'est pourquoi je ferai trembler les cieux et la terre se déplacera de sa place par la colère du Seigneur des armées et au jour de l'ardeur de son courroux. Isaïe ah, ah, ah, a, a, a, a, les a avertis selon la colère. Il les a dit que un jour arrive, un jour, et tout, tout, tout malice, tout pécheur, et n'importe qui, qui ne veut pas marcher sur la volonté de Dieu, que le jugement viendra sur eux tous et c'est sur un jour que, le, que la fureur de Dieu va, sera, va brûler comme du feu ardent. Est-ce que vous êtes, quand tout ce que nous disons là, est-ce que tu es un concerné Est-ce que tu te concernes à ça Et que tu n'es pas, tu n'es pas prêt, et tu n'es pas prêt à la venue de Christ, tu, seras ici sur cette terre-là, et cette terre-là, et la grande tribulation va t'arriver, et tu vas, rencontrer ça, et la punition, Jérémie, Jérémie, Jérémie aussi a parlé de ça. Jérémie a parlé de Jérémie. Jérémie 10, verset 10, Jérémie 10, verset il dit, mais le Seigneur est le vrai Dieu et il est le Dieu vivant et un roi éternel. La terre sera ébranlée par sa colère et les nations ne pourront supporter son indignation. La colère, le jugement de Dieu, l'indignation de Dieu, la punition de qui va venir sur les, les, les péchés qui ne sont pas repentis. Et toute la terre sera ébranlée par sa colère et la nation ne pourra pas supporter son indignation. Il y aura personne qui sera plus puissant et qui ne va pas, qui, qui va surmonter la, la, la, colère de Dieu. C'est la raison, pour laquelle on dit, nous avons même la, la, grâce. La grâce, elle a dit, la miséricorde, elle a dit, et tu viens à Dieu, tu dis, Dieu, Dieu, est pitié de moi, donne-moi la miséricorde, donne-moi la grâce et pardonne-moi pour que je puisse euh, échapper à la, je puisse échapper, je puisse échapper à la, à la, à, la punition de Dieu, à la fureur de Dieu. Et ça qui va arriver. Regardez dans Romains 1. Romains, Romains 1. Romains 1, allons voir ce qui va. On voit la punition, on voit la fureur, on voit la férocité de Dieu, la fureur, le courroux de Dieu qui va arriver et ce qui va arriver c'est les et cette colère-là viendront sur les gens qui croissent sur la face du ciel et qui ne sont pas donnés à Dieu. Ils sont, et certaines personnes qui connaissaient Dieu, mais ils ont regardé, ils sont partis encore. Les gens qui n'ont pas connu le, nom de Dieu, ils n'ont pas oué la honneur de Dieu. Et le jugement viendra sur eux. Bien sûr qu'ils sont l'âme et ils seront sous la le tremblant, et ils seront sous la, la tremblement de Dieu, ils seront sous la fureur de Dieu, et Dieu le jugement de Dieu viendra sur C'est une chose terrible et il sera dans les feux ardents de Dieu pour toujours. C'est pourquoi Dieu nous dit que, et c'est maintenant le, le, le, moment, le moment de, le moment de voir, le moment, le moment de grâce, le moment de la dispensation de grâce de Dieu. Il faut être né de nouveau. Si c'est le moment que vous devez être né. Et, et il dit, euh, euh, euh Romains 2, Romains il dit, il faut, être, il né de nouveau. Il faut, si vous êtes né de nouveau, Romains 2, le verset 3. Et pensez, Romains, Romains 1, verset, le, Romains 1, le verset 18. Romains 1, le verset 18, il dit que parce que tu euh, verset 18, car le courroux de Dieu est révélé depuis le ciel contre les iniquités et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité et l'injuste. Vous entendez ce verset-là, on parle de la justice, le, le, courroux de Dieu, la colère de la férocité de Dieu et ce qui va arriver. Il n'y a rien. Le jugement, ce jugement de Dieu viendra, la couronne de Dieu, ça s'est révélé maintenant à tout, le, à tout le monde et ça se révélé contre toute personne qui, toute personne qui n'est pas de nouveau, qui n'a pas accepté la veine n'importe où, n'importe où il y a, euh, il y a pas, il l'impiété, n'importe où il y a l'adoration du diable, le, péché, ça veut dire que ce qui appelle l'impiété, il dit que non, encore, euh, il dit à contre, en effet, on nous dit que ça viendra contre toute impudicité, toute iniquité, tout péché et l'indignation viendra et la férocité de la colère de Dieu viendra et ça vient sur tout un pécheur et, euh, ça viendra sur toute personne, toute personne qui n'est pas née de nouveau. Vous allez est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu, ils connaissent la voix de Dieu, ils connaissent la vérité, ils connaissent la volonté dans leur cœur ils connaissent la, la, vérité. Il y a les gens qui connaissent la, la, vérité dans leur tête, ils connaissent la vérité dans leur, dans leur bouche, ils connaissent que à, sans, la, sans la sainteté, si vous les demandez d'après la, la sanctification, ils vont vous dire oui, la sanctification c'est laquelle personne ne verra le Seigneur. Si vous leur posez la question ah, concernant la justice, de, de la, la justice concernant un enfant de Dieu, ils vont vous citer des références. Mais ici, les gens, ils, ils connaissent seulement la volonté ils connaissent la parole de leur bouche, ils connaissent dans leur tête, ils, n'ont pas dans leur cœur. Leur tête, leur cœur n'ont pas été changés, leur cœur n'ont pas été affranchis par cette parole, par cette vérité. Il y a des gens qui n'ont pas été franchis, leur cœur n'a jamais été affranchi par ta vérité. Ils connaissent toute la totalité des doctrines, mais ne sont pas nés de nouveau. Il dit, en verset 19, il dit parce que ce qui peut être connu de Dieu est manifesté en eux car Dieu les a donné. Ça veut dire que quoi Ils sont ignorants, ils sont ignorants et ils, ne, connaissent, ils, savent qu'il y a un Dieu qui est au ciel et qui peut sauver. Il y a un Dieu au ciel qui, qui parle de la vérité, qui parle de la justice. Il y a un Dieu, ils connaissent tout ça là, ils connaissent d'après ce, Dieu qui peut les sauver, qui est au ciel, qui parle de la vérité, qui parle de la réalisation, qui parle de la remission des péchés. Mais ils ne vont jamais être sauvés. Ils connaissent la volonté, ils connaissent la vérité. Dans, ils connaissent la, vérité, mais ils sont ça dans leur cœur. Le verset 29, il dit quoi Étant remplis de toute injustice, ils connaissent, ils connaissent, la, ils connaissent la justice dans l'injustice. Il y a des gens comme ça. Hein. Y a-t-il non pas des gens comme ça qui viennent à l'église et ils connaissent la parole de Dieu C'est pas qu'ils sont ignorants de la parole de Dieu. Ils, ils, ils tiennent à la, à la justice et là, ils parlent à la justice, ils sont là, ils connaissent la parole de Dieu, ils connaissent ça, mais ils sont injustes, ignobles. Il y a des gens, la Bible de Dieu les avertit, la Bible de Dieu, la parole de Dieu euh, avertit ces personnes-là qu'ils viennent, si vous venez, ils sont parmi nous aussi. Ils viennent à l'église, ils prennent la parole de Dieu et ils disent que voilà, je fais partie d'une grande église, je fais partie d'une église qui parle de la sainteté, qui parle de la bonté. Moi, je serai ici, je ne vais jamais quitter cette église parce que n'a pas parle de la parole de Dieu. Mais toi et la personne, elle dit toutes ces choses-là mais elle ne tient pas à la elle ne tient pas à la, à elle ne tient pas la justice. Qu'est-ce qu'elle tient Elle tient à l'injustice. Qu'est-ce que, quelle, est, cette injustice Elle tient à la fornication, l'immoralité, la convoitise, malice, pleine d'envie, de meurtre. Il y a les gens qui disent quand on parle de la doctrine, ils connaissent bien les doctrines. Pour les doctrines, ils connaissent les doctrines. Mais ils ont quoi Ils ont la convoitise. Ils sont, ils sont des, ils sont des meurtriers. Ils sont des discussions, tromperies, ils ont malignité, ils sont quoi Chuchoteurs, ils sont méd euh, ils haïssent Dieu, ils sont rancuniers, ils sont aussi orgueilleux, ils sont vantards aussi inventer des choses mauvaises. Et ces personnes-là, ils sont, c'est difficile pour eux de, de, de, de, pardonner. Ils sont toujours, ils continuent, ils continuent à faire des péchés, mais le, mais la, la personne, la personne, sa pensée dit, sa pensée dit, il faut, il faut pardonner. Il ne veut pas pardonner. Il vient à l'église, il la parole de Dieu, il écoute la parole de Dieu. Mais le problème, c'est que il continue, il tient la vérité, et il, retient la vérité dans l'injustice. Mais il dit, ceux qui connaissent, ils connaissent comprendre la il, dit quoi Il dit quoi Sans comprendre la compréhension par juste, sans affection naturelle. Il dit verset 32 qui connaissent les jugements de Dieu et ceux qui commettent de telles choses mériteront la honte, mériteront la mort, non seulement par la mort, mais permettent le permis de ceux qui les gens qui les, gens qui connaissent la volonté, les gens qui tiennent à la vérité dans l'injustice, toutes ces personnes là n'auront pas la vie éternelle. Dans Romains 2 dans dans Romains 2, dans Romains 2, dans Romains 2, verset 3, 2, verset 8, et penses-tu ceci, ô homme, qui juge ceux qui font de telles choses et qui fait des mêmes choses, qu'ils échapperont au jugement de Dieu, ou méprises-tu la richesse de sa bonté et de son indulgence et de sa longanimité, et ce ne sachant pas que la bonté de Dieu se conduit à la repentance, mais par la durité, de, la durité et ton cœur impénitent, tu accumules le courroux pour le jour du courroux et la révélation de Dieu, jugement de Dieu. voyez, il y a des gens, quand ils écoutent la parole de Dieu, ils refusent de se soumettre à la volonté de Dieu. Et ils sont là, ils s'incarnent. Ils sont là et ils s'entendent d'entendre, or ils refusent que la volonté de Dieu et la parole de Dieu pénètrent leur cœur. La révélation concernant leur révélation. Il y aura un jour que le jour va venir. La puissance de Dieu et la fureur de Dieu viendront et, et il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Mais en suivant, c'est pourquoi il dit qui rendra à chaque homme conformé à son sa Verset, verset 7, il dit à ceux qui par la patience et persévérance en faisant bien aspirent à la gloire et à l'honneur et à l'humorité et la vie éternelle. Mais envers ceux qui sont contingents et qui n'obéissent pas à la vérité, mais qui obéissent à justice l'indignation et le courroux. et dit quand on part à l'attent, on voyez, au moment de la, grande tribulation, ça serait un moment où Dieu va verser son indignation, Dieu versera sa, sa colère, Dieu versera sa férocité, sa férocité, son courroux sur les gens qui sont dans le monde de Dieu. Et, ils, et maintenant, comme ils sont en train de souffrir la grande tribulation, qu'est-ce qui va arriver Ils ne pourront pas supporter la, la, la, la plaie, les plaies, ne pourront pas supporter les, les, les souffrances, alors ils vont aller pour prendre la marque. Apocalypse 14, 14 verset 9. 14 verset 9. Apocalypse 14, le verset 9, il dit quoi Et le troisième ange le suivit, disant d'une voix retentissante Si un homme adore la bête et son image et reçoit la marque dans son front ou dans sa main, celui-là boira du vin du courroux de Dieu, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le, et souffre en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau. Et, une, et, la fumée de leur tourment se lèvera pour toujours et à jamais, et ils n'ont aucun repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque à la marque de son nom. Vous voyez vous, vous, pouvez enlever, vous pouvez échapper à cette marque. Et si ces personnes-là, si ces patients-là qui sont là, et ils seront à cause des punitions, à cause de la, à cause de la douleur, ils vont prendre le marque. La Bible dit qu'ils seront, ils sont maintenant perdus pour tout. Ils sont euh, finalement perdus. Mais si je dis, si ici, si, si aujourd'hui tu vas, tu vas venir euh, fuir devant la marque de Dieu, Aujourd'hui, ce pas seulement les, pas au jeu, je ne n'est pas seulement les, les, les, prédicateurs qui prêchent euh, de la pardonner et invitent les, les, pécheurs à la repentance. Quand vous allez, quand vous allez à l'église, vous allez, et si vous venez à l'église publique vous écoutez la parole de Dieu et vous ne voulez pas vous dire, maintenant, voici le moment, voici l'opportunité, voici le temps, voici encore une voie qui vous est offerte et ça vous dit que venez à Dieu, redonnez-vous à Dieu. Il y a la grâce de Dieu, que vous pouvez échapper au jugement de Dieu qui est à venir. Pourquoi, pourquoi ne pas repentir pourquoi ne donner à Dieu et donner Dieu donner votre vie à, Dieu à Jésus Christ et appeler Jésus Christ inviter Jésus Christ qui vient dans votre cœur et vous serez délivré du, châtiment de Dieu arrivé à venir je veux vous rappeler quelque chose souvenez-vous si vous venez à l'église et vous négligez le salut et vous ne vous n'avez pas le vrai salut dans votre âme, dans votre cœur, et vous n'allez pas accepter aucun jugement. Comment pouvez-vous échapper au jugement de Dieu Parce qu'il vos vous nous dit dans Hébreu 2, dans Hébreu 2, dans Hébreu 2, dans Hébreu 2, le verset 1, 2, 2 1, Hébreu 2, verset 1, il dit par conséquent, nous devons nous donner la plus, euh, donner la plus ardente attention aux choses que nous avons entendues. Quand nous venons à l'étude biblique, nous devons donner une grande, nous devons, et nous devons entendre et de peur qu'un moment nous les laissons échapper. Si, si la parole prononcée par les anges a été ferme, et si toute la transgression et, et désobéissance ont reçu une juste rétribution en récompense, Comment échapperons-nous si nous négligeons, si nous négligeons, si nous négligeons un si grand salut lequel commençait être exprimé par le Seigneur et nous avons été confirmés par ceux qui l'avaient entendu. Et c'est ça la parole qui nous dit, tu dis maintenant Seigneur, je comprends. Si je continue dans la du, dans justement de mon cœur, alors je serai perdu. Maintenant, je me donne à toi. à ce je me donne à toi. Je me donne à toi. Le Seigneur va te recevoir. Quand il va te donner à Dieu, lui va dire, je, je, je, viens à toi, reçois-moi. L'éternel va, va te recevoir, il va te détourner, Alors tu, te détournes de, tout, de toutes choses mauvaises, de toute iniquité, et tu viens à Dieu. Alors tu échapperas à au, jugement, au, à, au jugement de Dieu à venir pour, pour toujours au nom de Jésus. Les gens qui vont échapper au jugement les gens qui vont échapper à l'indignation, les gens qui ne vont pas souffrir les fureurs de Dieu parce qu'ils sont, ils sont victorieux, parce qu'ils sont victorieux, parce qu'ils sont victorieux à travers le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, ils ne vont pas souffrir la couleur dans Apocalypse. Apocalypse 15, Apocalypse 15, verset 2, 15, le verset 15, verset 2, il dit Je vis, j'ai vu ces personnes. De 15, verset 2. 15, verset 1, et je vis un autre signe dans le sein, dans le merveilleux ange, ayant de cette dernière plaie, car en elle était la consommée le courant de Dieu. Et je vis un autre car mêlé par le son. Il dit Je vis. Et tous étaient contents et chantant, et ils disent que la grande force de Dieu est elle Verset 18. Le verset 18, euh, verset 8. Il dit, on ne va pas, je, on ne pas, je connais et je crois et je, toi qui es Dieu. Le verset 8, s'il te plaît. Et il dit, et le temple fut plus de fumée provenant de la gloire de Dieu et son ne pouvoir aucun homme est capable d'entrer. Verset nous voyons hein, la victoire, de, la victoire des les gens victorieux qui chantent une chanson glorieuse. Ça, ça, ça, nous parle des gens qui chantent, les gens qui ont eu la victoire sur la bête, euh, sur, sur, son image, sur son, son travail. Et il chante les chansons de Moïse et les chants de La, de de l'agneau. et ce sont des gens qui sont, euh, qui sont délivrés ils sont délivrés de, de, l'Égypte à Pharaon. Ils sont délivrés du jugement de Dieu qui ont arrivé sur les, sur premiers nés de chaque famille. Ils ont, chanté une chanson de, victoire. Ils ont chanté pour glorifier. C'est une chanson qu'on appelle, ça qu'on appelle la chanson glorieuse. En Révélation 14 et 15, nous aussi on va chanter une chanson. Ça c'est une chanson de rédemption une chanson de réjouissance, une chanson de relais, une chanson euh, de, de, de, de reconnaissance. Alors on va, c'est une, chanson de Moïse, le chant de l'agneau. Euh, l'agneau, la, c'est le, Seigneur Jésus-Christ. Quand nous mettons tous ces mots-là ensemble, le chant de Moïse, et, euh, le chant de Moïse qui est chanté, et le chant de l'agneau, ça sera chanté, ça sera chanté à la mer ce sera à la chanson de le chant de, de Moïse a été chanté à la, à la, à, quand, à la, à la victoire. Le chant de Jésus nous sera chanté aussi à un moment qu'on va tromper sur la grande tribulation, sur, le, sur la bête. Et ça nous donne comment, comment Dieu amène son peuple, son, Dieu amène son peuple à, la victoire. Et le sang de, sang de l'agneau donnera la célébration de la victoire sur le Satan. Le sang de Moïse, c'était le premier, c'était le premier chant dans, la Bible. Et le sang de Jésus-Christ sera la dernière chansons. Et quand nous regardons leur, leur, leur adoration, leurs chansons, on, on, apprend beaucoup de choses dans Apocalypse chapitre 15, le verset 2. Et je vis comme une mer de mêlée de feu, et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête et sur son image et sur sa marque et sur le nombre de son nom se tenaient debout sur la mer de verre ayant les harpes de Dieu. Les gens qui chantent ici, là, ce sont des gens qui ont la victoire. Comment ils ont eu la victoire La Bible nous dit que et comment ils ont du temps. Ils ont dit que, ils, ils, ce qu'ils ont dit, et, toi aussi tu peux avoir la victoire. La victoire sur la tentation, la victoire, la victoire sur la, la, la chair, la victoire sur les, mauvaises habitudes, attitudes, habitudes. Vous avez aussi, vous pouvez avoir la victoire sur toutes les, suggestions mauvaises de Dieu. Vous n'allez pas adorer leur image, vous n'allez pas adorer ces, ces, ces, suspicions, ces idées qui vous amènent, ces, tentations, Et, vous, allez, vous pouvez chanter la chanson de il nous, il nous parle de comment pouvons-nous avoir ces chansons-là. Jean 1 Jean 5, 1 Jean 5, verset 5, il indique qu'à tout celui qui est, qui, est celui qui est, euh, qui est celui qui vainc, le monde, selon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il dit quand vous êtes né de nouveau, vous allez vaincre le monde. Le verset 4, 1 Jean 1 Jean 5, le verset 4, euh, il dit car, car tout ce qui est né de Dieu vainc le monde. Voyez, il faut vous détourner le péché. Détourne-toi du péché tout un tas de péché, crois en Jésus-Christ. C'est le, le, moment où le, la, victoire viendra. Il faut dire, je veux vivre une vie victorieuse. Quand vous faites, quand vous faites un péché, quand vous commentez et vous faites quelque chose de mauvais, vous vous giflez vous-même et vous dites non, marche bien, fais de À moins que vous êtes né de nouveau, à moins que le Christ, euh, Christ vit en vous, vous n'aurez jamais la victoire sur Satan, la victoire sur le monde, la victoire sur le péché. Vous n'aurez jamais ça. Et c'est Dieu, de la grâce de Dieu en vous c'est la grâce de Dieu, Jésus en vous, qui va vous donner la victoire. Et celui qui est né de nous, euh, est celui il dit celui qui est né. Il dit, c'est pourquoi il dit verset 4, il dit, car tout ce qui est né de Dieu vint le monde. Et ce qui est la, et ceci est la victoire qui vint le monde. Qui est celui qui va vaincre le monde C'est celui, celui, c'est celui qui croit que le, Jésus-Christ est le sang de euh, le Fils de Dieu. 1 Jean 2, le verset 13. 1 Jean 2, le verset 13. Il dit, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est depuis le commencement. Je vous écris, jeune homme, parce que vous avez vaincu le malin. Quand vous êtes en Dieu et vous comprenez la parole de Dieu, vous croyez la parole de Dieu, vous méditez sur la parole de Dieu, vous, vous, restez sur la parole de Dieu et vous êtes sur la vérité et la promesse de Dieu. Ça vous donne la victoire. C'est ça, vous, vous allez vaincre. Et parce que vous êtes fort et si la parole vient, verset 14 maintenant et vous allez vaincre. Verset 14, il dit, je vous ai écrit, Père, parce que parce que vous avez connu celui qui est depuis le commencement. Je vous ai écrit, je nomme parce que vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Quand la parole de Dieu demeure en vous, vous êtes vaincu, vous êtes des vainqueurs. Il y avait vous voyez, il y a certaines personnes, qui écoutent la parole de Dieu et la parole rentre, la parole de Dieu rentre par notre oreille et ça sort de l'autre oreille. Et si vous êtes des gens qui, écoutent la parole de Dieu et vous laissez la parole de Dieu de sortir de l'autre oreille, vous ne serez jamais des vainqueurs. La parole de Dieu vient à vous. Là, cette parole que vous écoutez, avec sa parole, vous, l'écoutez et vous, vous le recevez, vous méditez sur ça et vous croyez à ça et vous marchez sur ça et vous marchez par cette parole. Et c'est cette parole-là qui reste en vous, qui va vous donner la victoire. Et, c'est ces personnes qui chantent la chanson de victoire, la chanson de l'adoration dans Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 15, là, que nous parlons d'eux, ces personnes-là, ils ont la victoire. Et c'est aussi, il faut aussi méditer cette parole. Il faut, tu peux avoir la victoire sur le péché, avoir la victoire sur toute mauvaise chose du diable, que tout ce que le diable euh, envoie sur toi, quand la victoire en tout cherche alors tu peux chanter la chanson que nous venons de lire dans Bouka chapitre 14, 15. Alors, il va voir ça. Dans, dans 1 Pierre 1, verset 5. 1 Pierre 1 Pierre 1, le verset 4. Alors, il dit 1 Pierre 1, 4. Il dit Et pour un héritage incorrompu et non sué et qui ne peut se fleurir, reverser dans le ciel pour vous. Si vous êtes, euh, ne, vous ne vous prenez pas soin de votre vie, le diable va vous vaincre. Si vous êtes sobre, et vous êtes vigilant et vous vous regardez, vous veillez. Vous savez que le diable venir à n'importe quel temps et vous vous regardez, vous, vous, êtes, vous êtes sobre et vous veillez, vous êtes veillant. Vous mangez votre, vous veillez sur votre euh, langue, vous veillez sur votre attitude, vous veillez sur votre vie. Quand vous, êtes, quand vous allez sur le lieu de travail, vous savez que le lieu de travail, il y a des pécheurs là-bas. Vous savez que si vous êtes veillant, c'est le moment où pour avoir la victoire. Mais si vous, vous, êtes, vous n'êtes pas veillant, et vous venez seulement la Bible, euh, l'étude de la Bible et l'étude biblique. Et vous écoutez la parole de Dieu et vous écoutez la Bible et vous, vous l'assimilez. Et vous allez maintenant sur, sur, la, communauté, le lieu de travail, là où vous viviez, et vous vivez une vie nonchalante, une vie qui n'est pas veillante. Vous, vous ne serez jamais des vainqueurs, mais quand vous êtes sobre, vous êtes vigilant parce que vous savez que vos adversaires sont là comme des lions cherchant qui peut qui dévorer. Et c'est pourquoi le verset, il dit, le verset, il dit le verset, il dit le verset il dit recevant l'achèvement de votre foi. Il, va vous donner, il va vous dire de, de, de, de, de faire la de compromettre. Il va vous donner des suggestions mauvaises l'immoralité, la fornication, l'adultère, la, la convoitise, vous le vol. Il va, il, va, il va vous donner beaucoup de choses pour aller, ceux qui vendent des médicaments euh, traditionnels, ils vont, il va, il va vous suggérer des, beaucoup d'idées d'aller faire. Mais quand vous croyez ça, alors vous n'allez pas aller faire, c'est-à-dire le salut de vos âmes, duquel le salut pour faire de sang appui, et ont cherché mieux, et qui ont prophétisé de la grâce. C'est comme ça que vous devez vaincre. Et je crois que, je prie que vous allez vaincre au nom de Jésus. Et la victoire va vous faire que vous allez Comment, comment voyez-vous, comment pouvez-vous reconnaître un vainqueur chrétien C'est quelqu'un qui a la parole de Dieu et c'est Dieu qui lui donne la victoire dans Apocalypse 12, Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, 12 verset 11. Il dit, ils l'ont connu, ils l'ont, ils l'ont, vaincu par la parole de Dieu. Et ils l'ont, et, ils et, ils ont, ils l'ont convaincu, ils l'ont vaincu à travers quoi Le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à travers le sang de l'agneau. Et c'est les gens là comme ça. Et le verset 11, il dit, et ils le convaincurent par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'aimèrent pas leur vie jusqu'à la mort. Il dit, et par conséquent, réjouissez-vous, vous ceux qui vous dites que j'ai ouvert ma bouche, j'ai mis ma, main à la, au, bus et je ne vais jamais m'en détourner. Les gens, quand ils ont, volé, mais ceux qui ont un peu de difficulté, un peu de problème, et maintenant ils disent qu'ils abandonnent ça. Ils disent que je ne savais pas que et ils disent que je ne sais, je ne sais pas que ça serait difficile comme ça, alors je me détourne. Ces personnes qui vont détourner comme ça, ils ne seront jamais des vainqueurs. C'est le au travers le sang de l'agneau qu'il a versé la croix de Dieu, c'est ça qui va donner et ça nous donner et cette personne là il tient des confessions positives il, sait, dit que je sais que que le Seigneur est avec moi et je sais qu'il va me donner la victoire je sais que grand est à moi que celui qui est dans le monde dans le monde je, je peux vaincre il faut dire que le, le, le, le, faible dit que je suis, je suis euh, que le faible dit qu'il est fort et il va vaincre, il va vaincre. Et quand tout ce quand il, il fait, il fait, il prononce toutes ces paroles à toutes ces paroles, alors il, il, il s'enferme, il dit que moi, il dit que je vais, je vais tenir, je vais me tenir. C'est cette personne là qui va vaincre. Apocalypse chapitre Apocalypse, chapitre 15, verset 3, il dit maintenant, et il chantait le, le, le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, disant, grandes et merveilleuses sont les, sont les œuvres. Seigneur Dieu Tout-Puissant, juste et vrai sont les humains, toi, roi des saints. Je viens de dire, c'est ça, comme ça, c'est la chanson là que les enfants d'Israël ont chanté. Quand le Exode, Exode, Exode 15, Exode 15 ils ont, ils ont chanté et glorifié Dieu. Ils ont chanté glorifiant Dieu tout ce qu'ils faisaient. Et ils ont chanté glorifiant Dieu. Et parce qu'ils savaient, c'est Dieu qu'il avait. Et ils ont été, le verset 1. Exode 15, verset 1, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent le cantique du Seigneur, disant Je chanterai au Seigneur, car il a glorieusement triomphé. Il a précipité la mer, le cheval de son cavalier. Le Seigneur est ma vigueur et mon cantique, et il en est devenu mon salut. Il est mon Dieu, et je lui préparerai une habitation, le Dieu de mon Père, et je l'exalterai. Le Seigneur est un homme de guerre, le Seigneur est, un, son nom. Les, les chariots de Pharaon et son armée et il les a jetés dans la mer. Et l'élite de ses capitaines ont aussi, ont, été naillés et euh, noyés dans la mer rouge. Les profondeurs et ont couvert, ils ont coulé en fond comme une pierre. Ta mère droite au Seigneur est devenue glorieuse en puissance. Ta mère droite au Seigneur a mis l'ennemi en paix, en, pi, en en pièces et dans la grandeur de ton excellence. Le diable, le diable dit, l'ennemi dit que je vais les poursuivre, je vais les diviser, alors je suis resté Mais le, mais le grandeur de ton excellence, tu renverses ceux qui s'élevaient contre toi. Tu as envoyé ta colère et qui les consumé comme la fumée. Par la souffle de tes marins, de marins euh, les eaux se rassemblèrent, les flots se tenaient droits comme une jupe et les profondeurs se, euh, se font figer au cœur de la mer. L'ennemi disait, je prouverai et j'attraperai, je partagerai le bullet ma convoitise sera assidue d'eux, je, je mon épée, ma main et les détruira. Tu as soufflé de vin, la mer les recouvert et ils ont coulé comme le, bombe, le plombe dans les eaux puissantes. Qui est comme toi, ô Seigneur, parmi les dieux, qui est comme toi, glorieux et saint, en sainteté, vénéré en loin faisant des prodiges. Tu as été, ta, tu as attendu ta main droite, la terre les a engloutis. Toi, par la miséricorde, a conduit le peuple que tu as racheté. Tu les as guidés par la vigueur, par la habitation. Les, pleurs, les peuples l'entendront, ils auront peur. La douleur saisira les habitants, les habitants de la, plaine, de la Palestine. Alors les ducs des dômes seront détournés, le tremblement saisira les puissances hommes de Moab. Tous les habitants de Canaan seront les liquifiés, la fureur et le pouvant tomberont sur eux par la grandeur de ton bras. L'Éternel vainqueur par eux-mêmes. Car la grandeur de ton bras et ils figeront comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple, jusqu'à ce que ton peuple, oh Seigneur, a traversé, jusqu'à ce que ton peuple ait traversé celui que tu as acquis. Et tu les amèneras et tu les planteras sur la, sur la montagne de ton héritage. au oh, le Seigneur, que Dieu les un, Voilà ce que Dieu a fait pour eux. Ils ont chanté, ils ont glorifié Dieu. C'est la même chose que Dieu a fait. Ceux qui ont couvert, Dieu les a aidés, ils ont convaincu, ils ont vaincu Satan ils ont vaincu 100 ans. C'est la même chose qui va arriver. Euh, c'est la même chose que nous aussi va arriver et ça va arriver. Euh, Apocalypse chapitre 7, euh, verset 9. Apocalypse chapitre 7, le verset Après cela, je regardais voici une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter sur toute nation et parenté et peuple en langue et langue se tenait devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avec les palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix retentissante disant, Salut à notre Dieu lequel est assis sur le trône et à l'agneau. C'est ce qui va arriver à l'enfant c'est les gens du, Nouveau Testament, comme Dieu les a aidés et c'est le même, ça va arriver sur nous au nom de Jésus. Parce que et il disait maintenant, en verset 11, il dit, et tous les anges se tiennent autour du trône et autour des anciens des quatre bêtes et tombèrent et leur face devant le Dieu et adorèrent Dieu, disant Amen, bénédiction et gloire et sagesse et remerciement et honneur et pouvoir en puissance et puissance soit à notre Dieu pour toujours et à toujours. Amen. Et l'un des anciens répondit me disant, qui sont ceux qui sont parés de robes blanches et d'où viennent-ils? Et je lui dis, si je ne sais. Et il Médine sont euh, qui sont sortis d'une grande jubilation et qui ont nettoyé leurs robes et les ont rendues blanches dans le sang de l'agneau. Par conséquent, ils sont devant le trône de Dieu et le servent et nuit et jour et, nuit et jour et jour et nuit dans son temple et celui qui sont le trône demeurera parmi eux. Voyez que Dieu nous dit quand nous sommes victorieux, nous serons avec le, le avec Dieu. Nous allons chanter le chanson, la chanson avec le Seigneur. Nous sommes les saints. Lisons euh, euh, Apocalypse 15, 3. Apocalypse 15, verset 3, il dit quoi Il dit, il chantera le, cantique de Moïse, euh, le, le, serviteur de Dieu. Écoutez ceci là, le cantique de l'agneau disant, grande et merveilleuse sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, juste et vrai et saint. il chantait une chanson de l'agneau, la chanson de Moïse et la chanson de l'agneau, et, la, de la chanson de Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, et c'est lui qui est le Seigneur, et le Dieu et il, c'est lui qui est Dieu, il va marcher avec euh, avec lui. Il marchera, c'est lui qui est le vainqueur. Apocalypse chapitre 17, verset 14, il dit, celui-ci feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra, et il est signe. On part toujours avec l'agneau dans, Apocalypse chapitre 19, 19, 19, il dit, il a quoi Et il a, et, il a ce qu'il va, et il a ce qu'il va, va voir alors il ne marche avec lui. Avocat chapitre 15, verset 4, il dit qui et qui ne te craindra au Seigneur. Et le Seigneur de Dieu nous dit ici nous devons, devons, devons craindre notre Dieu qui est au ciel. Mais ici, c'est victorieux disait, il, dit que on ne va pas te, on, craindra pas. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui, qui, ne, qui, ne va pas, qui n'aura peur de ce Dieu, qui va craindre ce qui va arriver, parce que ça va arriver. Dans Luc chapitre 14, 12, euh, verset 4, il dit, et je vous dis, à vous mes amis, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le, cœur, le corps, et après cela, ils ne veulent rien faire. C'est pourquoi, c'est pourquoi ces victorieux disent que qui ne va pas croire, euh, craindre Dieu et craindre Dieu et pouvoir faire comme et craindre Dieu et il va craindre Dieu, craindre Dieu, craindre Dieu et craindre, euh, Dieu qui peut tuer tout le, qui veut tuer ce qui va arriver. Et il dit quoi? Euh, il dit, euh, euh, deuxième Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 2, de, le verset 2. Il dit, grâce envers vous et paix de la part de notre Dieu Père et Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tenus devant nous remercier pour nous. vous. C'est pourquoi Dieu, les, pécheurs doivent, doivent, être, doivent avoir peur de notre Seigneur Jésus. Il va avoir peur et maintenant euh, appelé après d'après Dieu et avoir la repentance, la repentance de péchés. Parce que quand Jésus viendra, quand Dieu viendra, il va verser sa couleur sur eux, il va verser sa puissance, sa puissance, sa, sa, sa punition sur eux. Le verset 9 maintenant sur eux. Le verset 9, il dit Et qui seront punis par une destruction sans fin de la présence du Seigneur et de la gloire de son pouvoir. Lorsqu'il viendra, verset 10, c'est pour être glorifié par ses saints et être admiré par tous ceux qui, euh, qui croient, parce que notre témoignage parmi vous a été en ce jour-là. C'est pourquoi on dit. et c'est pourquoi nous aussi on nous prions, nous prions pour vous. C'est pourquoi il dit, verset 11, c'est pourquoi aussi nous prions, nous prions toujours, nous prions toujours pour vous, afin que notre Dieu vous compte digne de cet appel et qu'ils accomplissent tout le, tout le bon plaisir en sa bonté et l'œuvre de la foi avec pouvoir, afin que le monde de notre Seigneur Jésus-Christ puisse être glorifié en vous et vous lui selon de sa grande Apocalypse 15, 15, 14, Apocalypse 15, le verset 4. 15, 4, il dit maintenant quoi Et il dit Et qui te craindra, au Seigneur, et ne glorifiera ton nom, car toi seul es saint, car toutes les nations viendront et adoreront devant toi. Toutes les nations, toutes nations, toutes nations viendra, et viendront et adoreront devant toi. Et vous devez comprendre ici, ces choses-là ne sont pas nouvelles. Ce sont des choses qui ont été, Et disons que toutes les nations viendront et vont l'adorer. Nous sommes, on nous a dit dans Psaume 22, Psaume 22, Psaume 22, 27. Psaume 22, 27. Psaume 22, 27. Psaume 22, 27. Il dit quoi Il dit 27, 28. 27, 28. Verset 28, il dit toutes les, tout, Et tous les bouts du monde se souviendront et se tourneront vers le Seigneur et tous les parentés des nations. Euh, sans, euh, psaume, 86. 86. 86, 86, euh, psaume 86, verset 9, 86, verset 9, il dit, Et toutes les nations que tu as faites viendront et adoreront devant toi, ô Seigneur, et elles de ton nom, car tu es grand et tu fais prodige, tu es doux et euh, tu es Enseigne-moi ton chemin, ô Seigneur, je marcherai dans ta vérité, unis mon cœur pour craindre ton nom. Je louerai, je louerai au Seigneur ton nom pour toujours quand, avant, euh, quand nous étudions dans euh, Apocalypse chapitre 15, on dit que les gens qui, les gens qui vont euh, les, gens qui vont refuser la marque de la bête et ils vont désirer là, ils vont dire avec Dieu, ils avec Dieu, ils vont rester avec Dieu, ils vont honorer Dieu, ils seront glorifiés Dieu, ils vont glorifier Dieu. Les gens là vont rester avec Dieu. Nous partons de la Apocalypse chapitre 15 Avocat chapitre 15, le verset 5. Avocat chapitre 15, le verset 5, il dit, et après cela, j'ai regardé, voici le temple du tabernacle, le témoignage dans le feu du ciel. Et les sept anges sortis du temple, ayant les sept plaies vêtues de l'impur et blanc, et ayant leur poitrine sainte de ceinture d'or, et l'une des quatre bêtes, quatre bêtes donnant aux sept anges sept feuilles d'or pleines de courroux de Dieu, et qui vit pour toujours et à jamais. Verset 8, et le temple fut rempli de fumée provenant de la gloire de Dieu et de son pouvoir, et aucun homme ne fut capable d'entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept plaies des saints anges soient accomplies. Ici, nous, en apprend de, la source de cette puissance, la source de la fureur de Dieu venant sur les gens de la terre. Après avoir vu la, vision, la révélation, et, chantant une chanson de délivrance, la chanson de la révélation de Jean. Jean le bien-aimé a dit, il a vu quelque chose qui venait, le temple était ouvert. Et ce n'est pas une première fois qu'il vient de voir, c'est n'est pas la première fois qu'il voit le temple ouvert. Dans, dans euh, Apocalypse chapitre 11, Apocalypse chapitre 11, 11, 19. Après chapitre 11, le verset 19, et le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel, et l'on vit dans son temple l'arc, l'arche de son testament. Et il eut des éclairs, des voix et des tonnerres, et un tremblement de terre et une grosse grêle. À ce moment-là, quand ils ont vu le temple ouvert dans le ciel, il, il, a vu sept anges sortant de, de ce temple. Ça veut dire quoi ça là Ça veut dire quoi ça là ça veut dire que ces anges, ces anges-là, ce sont des anges qui ont été désignés, choisis pour venir. Ils, sont, ils, viendront, de la, de, la, de, la, présence de Dieu. Ils sortiront du ciel. Ils sortiront de la, du tabernacle de témoignage. Ça veut dire qu'ils sortiront, ils viennent pour donner un, témoignage, pour testifier, pour testifier, pour donner le, témoignages, témoignage de ce qui va arriver. Et ces sept anges-là viendront de la présence de Dieu et ça viendra directement de la présence de Dieu et ils viendront, viendra pour verser la grande fureur de Dieu, la férocité de Dieu et la cour, le courroux de Dieu et la pour, pour et ils n'auront pas la miséricorde. Et, et, et, le temple, le temple était rempli de fumée. Le temple était rempli de et le temple fut couvert et ouvert le temple de l'homme vit sans temple l'âge de son temple. Il eut des clairs et des tonnerres de voix. Ici, quand on parle ici des fumées, la fumée ça parle de la, de la puissance et la manifestation de sa puissance sur la, et c'est là-bas que sa puissance, sa fureur et sa félicitation, un courroux sera versé. Le bord de la couleur euh, de, la courroux. Il y aura, il y aura, il y aura personne comme homme qui peut échapper maintenant sur cette terre-là à cette révélation, à cette à cette punition qui va arriver à, à, si vous si vous allez avoir la miséricorde de Dieu si vous allez avoir le salut de Dieu voilà le temps maintenant dans Somme 75 dans Psaume 75, verset 8. Psaume 75, Psaume 75, verset Et c'est le que 75, verset 8. 75, verset 8. 75, verset 8. 75, verset 8. Et il dit, dans verset 8, il dit, car dans la main du Seigneur, il y a une coupe et, de, coupe, et le vin est rouge. Ça veut dire que l'indignation qui va venir, la fureur qui va arriver, c'est sur elle la couleur, la fureur de Dieu qui va venir. Et elle est pleine de mixtures, mixtures, et en elle diverses. Et ça viendra sur les gens qui n'ont pas donné leur vie à Dieu. Je vous pose la question encore, où êtes-vous maintenant Comment êtes-vous maintenant en Dieu Vous êtes en Dieu vous êtes en le Seigneur, oh, vous êtes seulement, vous êtes seulement religieux, et vous n'êtes pas né de nouveau tous ceux qui ne sont pas de nouveau, tous ceux qui sont les tous ceux qui ne sont pas repentis, ceux qui sont vus dans le péché. Et si vous continuez comme cela, vous, vous allez à bout. Et les personnes boiront de la, de la coupe de Dieu. Dans Jérémie, Jérémie 23, 20, 25, 23, 25. Il dit, prends ça là. c'est ce qui est arrivé, et c'est ça qui viendra sur la puissance, et cette coupe de cette personne là, et ça viendra sur eux, et j'ai entendu ce que les prophètes et en disant, et ce qui va arriver. Et j'ai entendu, et j'ai pris, et j'ai eu un, et j'ai pris ça, et j'ai pris la coupe de Dieu, et j'ai bu, vie Quand j'ai bu, et c'est que le verset 18 maintenant, le verset 18, il dit, il continue à vous dire les gens qui vont, à qui vont boire, les gens qui buvront, les gens qui vont boire, et tout cela, le verset 7, il dit, je ne cesse le dire à ceux qui méprisent, le Seigneur a dit, vous aurez la paix. Et à tous ceux qui marchent dans l'indignation de leur cœur, ils disent, aucun mal ne vous arrivera. Car c'est lui qui tient le conseil du Seigneur. Ceux qui ne connaissent pas l'accord de Dieu, la colère de Dieu viendrait sur eux. Ephésiens 5. Éphésiens Ephésiens 5. Ici, on voit la, la, la, puissance de Dieu viendra sur eux. Et ça vient, tous ceux qui ne, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne l'aiment pas Dieu, qui ne obéissent à la parole de Dieu, ils ne Ephésiens 5, le verset 3. Ephésiens 5, le verset 3. Et mais, mais que ni votre fornication, que ni aucun d'impurité ou combattise ne soit pas même mentionné parmi vous comme il vous convient à dessein euh, chaque fidèle prêchant la parole de Dieu, il va, il, veut que les gens, il veut que toute personne écoutant euh, s'épargne, s'échappe à l'indignation, s'échappe à la furité, s'échappe à la férocité de Dieu et tous les pécheurs, toute personne euh, tous les pécheurs dans l'église ou bien dehors de l'église, en dehors de l'église, qui touche la fornication et tout est infidélité. Et il dit que, il dit que, toute, même que, ni fornication et ni aucune impurité ne soit. Les gens, il y a des gens qui sont en train de jouer avec le péché. Les gens là, ils sont en train de jouer avec le péché. Il dit, oh, maintenant c'est un petit péché. Vous voyez, quand vous êtes les gens qui sont là, ils sont en train de réduire, ils s'en foutent de la, ils, font, la gravité du péché d'être mineur. ils dit, que, il, dit, il moi, il dit moi, je n'ai pas commis la fornication, je n'ai pas commis l'adultère. Quels sont ces petits les péchés Quels sont, quand, quand il avec la convoitise, mais la parole de Dieu nous dit ici quoi Que ni fornication, ni aucune impurité, les gens là, ils font, ils polluent les choses que les gens font. Et les gens disent que les, gens, les choses que vous vous, vous, vous imputez et les choses que vous faites ici, et ne soyez pas même mentionnés parmi vous comme Il dit, ni choses immondes, ni paroles insensées, ni pas enterrées, ni ne sont pas convenables, mais plutôt de donner vous remerciements. Car vous avez ceux qui ne sont prophètes, ni personne ne suit, ni honte convoiteux, ni euh, qui en est ne Quoi, écoutez ceci là, n'a aucun héritage dans le royaume, le royaume de Dieu. Aucun homme ne vous trompe si vous ne voulez pas obéir là, si vous n'obéissez pas l'évangile, si vous n'obéissez pas la parole de Dieu, le jugement va venir. Et parce que de ces choses-là le jugement viendra, la couleur de Dieu, la fureur de Dieu viendra sur les gens qui sont de la désobéissance. Hébreu 10. Hébreu, Hébreu 10, 26. Hébreu 10, 26. Hébreu 10, 26. Hébreu 10, verset 26 et dit après que nous avons reçu 10, 26, 10, 26 maintenant, il dit car si nous pêchons volontairement après que nous voyons reçu la connaissance, si nous, voyons, si nous volontairement, il y a des gens, vous voyez, et les gens, ils ne sont même pas tentés. C'est que, c'est seulement, ils disent, ah, toutes ces choses-là, je vivais, toutes ces, toutes ces années-là, j'ai vis une vie sainte. Mais et ces choses-là, comme et les gens, les gens, et les choses, les choses, que les gens font dans le monde, moi aussi, je vais aller aussi tester ça, voir. Et maintenant, ils se jettent dans les péchés volontairement. Et la parole de Dieu nous dit que si nous péchons, si nous péchons volontairement, après que nous avons reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sanctification, de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente effrayante du jugement et une indignation enflammée qui dévorera les adversaires. Celui qui méprise la loi de Moïse mourrez sans miséricorde par deux ou trois de moins, d'une punition combien de plus de douloureux. Supposez-vous, seront-ils considérés dignes de celui qui a pitiné le Fils de Dieu et qui a estimé le sang de l'alliance par lequel, voyez cela, les gens qui sont sanctifiés maintenant avant, ils étaient, ils étaient purifiés avant, ils étaient faits saints avant, mais maintenant ils sont retournés, ils ont retourné, ils ont, ils ont retourné, et il détourne, et maintenant il, il, dépie le, sang de l'agneau, il ne, méprise le sang de Jésus, il ne méprise ça, et ils ne vont pas. Mais on ne dit que quoi Et si mépie, ils piétinent le Fils de Dieu, et qui estime le sang de l'agneau par lequel ils ont été sentis. Dieu dit encore, Dieu va juger ces personnes-là et, de et ses même Dieu va les juger tous. Ça serait une chose vraiment malveillante, une chose vraiment mauvaise que de tomber dans la mer, de la, de, la mer troublante de Dieu. Là, faut, faut, faut, faut, échapper à la, au jugement viendra. Qui va venir Matthieu 3. Matthieu 3, 7. Matthieu 3, 7 hier à le, Jean, le, le, le, prédicateur Jean-Baptiste a été en train d'avertir ces pharisiens et sadduciens. Il a dit quoi À contenance la, la fureur de Dieu qui va arriver. Verset 7, il dit, mais quand il vit à son bâtiment beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, aux générations de vipères, Jean, le Jean-Baptiste dit, vous les pharisiens, je vous avertis de, de fuir la, la, fureur de Dieu, le jugement à venir. Et, et, ça serait une euh, et ça serait une courroux vraiment d'indignation qui viendra sur ceux qui ne vont pas vivre, ne vont pas se repentir. Et il dit maintenant, et si vous voulez vous, et si vous repentez pour échapper à la, à, la, à, la, à la fureur de Dieu viendrait, alors il faut vous repentir, donnez-vous à Dieu et produisez donc, il dit quoi, qui vous avertit de fuir le courroux à venir, et dit produisez donc des fruits propres à leur repentance, et pensez vous à vous-même. Nous avons Père, nous avons Abraham pour notre Père. Quand car je vous dis que Dieu est capable de susciter ces pierres des enfants à Abraham, et maintenant aussi de cogner des, plats des cogner est placé dans la racine des arbres, et par conséquent, tout arbre ne produit pas de son fruit, est coupé jeté Ici, c'est pourquoi Dieu nous avertit ici, il nous dit que c'est le moment de se réveiller, c'est le moment d'appeler sur Dieu, et appeler le Seigneur, et si ne, ne rejetez pas Dieu. Et quand le moment où le Seigneur, l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu voyez, l'Esprit de Dieu ne, sera pas seulement, ne sera pas tellement avec toi et de te, et de, Tu t'avertir, répands, répands, répands, répands. Non. Il y aura un jour que l'Esprit de Dieu va quitter maintenant et l'Esprit de Dieu ne va pas. Est-ce que tu es en train, est-ce que tu es en train de compter et tu dis que moi, moi, je sais qu'un jour, je vais me réjouir pour un moment, pour après. Et il croit que, il croit que si je ne fais pas ça, si je, je, je, ne, je, change ma vie et je fais ce que les, mon enfant, je me réjouis pour un moment, pour moment je, je vais voir de beaux choses. Mais la Bible nous dit que quoi, à, quoi, à quoi servira à un homme de gagner tout le monde entier, mais s'il perdait son âme Alors, il y a Est-ce que, vous, est -ce que vous comptez la, euh, le, le, le, le coût le coût, vous, comptez combien de fois ça va arriver, et vous comptez le prix, est-ce qu'il peut compter le prix, le prix qui va arriver, à lui à dire, Dieu, il faut compter, il faut, il faut considérer le prix, le prix, si vous n'allez pas, si tu ne réponds pas, la question vient à toi, ce que, la question vient, quelle sera la réponse que si vous n'êtes pas né de nouveau maintenant et vous venez, à l'étude biblique, vous venez à l'église, vous lisez la Bible et vous êtes en train, vous êtes parmi les gens de Dieu, les hommes de Dieu. Beaucoup de personnes choisissent de Dieu, ils ont choisi Dieu maintenant, ils tournent de leur péché. Le, roi royaume de Dieu sera leur demain à la dernière jour, à le dernier jour. Et toi, où seras-tu si vous vivez si la voie étroite et vous vivez sur la voie étroite et vous voyez avec Dieu, vous marchez dans la volonté de Dieu, vous marchez tout à travers toute votre vie. Qu'est-ce qui vous serez dans la vie Vous serez dans la vie éternelle avec Dieu. Mais si vous faites autrement, où serez vous maintenant. Vous serez dans l'enfer. Alors la voix de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Quand vous êtes né de nouveau et vous êtes repenti et vous allez, il y aura un changement de Dieu et vous aurez la, les fruits de la justice. À ce moment-là, vous serez content, vous serez joyeux, vous allez, vous allez, vous allez, vous vous allez vous serez content parce que vous êtes maintenant racheté de la fureur de Dieu à venir et vous serez sauvé sur ce qui va arriver éternité, éternité, éternité. Dis-moi maintenant où vas-tu passer l'éternité Maintenant, lève-toi, mets-toi debout maintenant, mets-toi debout maintenant et va en prière. Dans toute location où tu es, dans toutes les localités que tu es, euh, là, il faut prier. Nous, ne sommes pas venus ici pour pouvoir seulement et croiser les bas et regarder. Nous devons prier parce que le moment de, de jugement arrive le jour, le moment de l'indignation vient et nous voulons faire sûr, nous voulons être sûrs que nous sommes préparés, nous sommes prêts à pouvoir échapper au jugement à venir. Où vas-tu passer euh, euh, l'éternité Appelle l'éternité, l'éternité, l'éternité. Où, où vas-tu passer l'éternité Appelle l'éternel maintenant. Il faut appeler l'éternel maintenant et prie. Il dit, Seigneur, si tu vis dans un péché secret, dis Dieu maintenant, je viens à toi, Seigneur, je viens à toi, Seigneur, je reviens à toi, Seigneur, je reviens à toi, le, péché de l'adultère, le péché d'affrontation, le péché de, de, vol, le péché de mensonge, le péché de vol, le péché de procrésie, je viens à toi, appelle le Seigneur, je dis, et tu dis maintenant, Seigneur, aide aide, la miséricorde à moi, donne-moi la grâce, donne-toi à Dieu, aide-nous, sois, nous de nouveau, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici, pour lire la Bible, pour apprendre la Bible, pour que nous puissions se tourner et échapper à la fureur de Dieu, le jugement final qui va arriver. Sois fidèle à toi-même, sois fidèle, sois sincère à toi-même. Quand l'Esprit de Dieu est de te parler, l'Esprit de Dieu te parle, il est en train de régner, l'Esprit de Dieu est en train de cogner ton cœur. Tu ne veux pas une vie juste, il te dit, ta vie n'est pas juste, ta vie n'est pas correcte, tu ne vis pas une vie normale, tu n'es pas une vie assaisie, une vie correcte, une vie normale, une vie acceptée, une vie approuvée. Le Ténèbre de Dieu parle, l'Esprit de Dieu est en train de te parler. Pour que tu dois faire Elle dit maintenant, Seigneur, me voici, me voilà. Dieu, je me donne à toi. Seigneur, Seigneur, ah, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi, pardonne tous mes péchés. Change-moi, tourne ma vie. Le Seigneur va te faire, il le fera, il va, te, il va le fera, il le fera. Donne-toi à Dieu, alors tu échapperas à la fureur de Dieu. Alors tu vas échapper au jugement de Dieu. Si tu n'as pas de nouveau maintenant, c'est le moment de le faire. Si tu, comptes le prix, tu comptes le prix. Pourquoi si, si, si tu, es, tu es perdu maintenant, si tu... Eh, quoi qu'il va faire, si quelque chose te passe maintenant, quelque chose arrive sur toi, et tu même, ça peut arriver, si tu meurs aujourd'hui sans le, sans, sans, si tu meurs aujourd'hui sans avoir le, le, le, salut, si même c'est un accident, c'est un accident arrivé et tu meurs aujourd'hui, quelque chose peut t'arriver et tu vas mourir, et si tu meurs sans avoir le salut, où va te passer, où va passer, tu, où tu passeras l'éternité, où vas-tu mourir, où vas-tu mourir, pourquoi pourquoi dois-tu mourir Pourquoi dois-tu périr dans le péché Tu, tu dis, Seigneur, j'abandonne ce péché. Regardez, faut pas voir le, le, jugement du péché comme quelque chose qui est éternel. Non, le jugement vient, l'indignation vient, la furie du Seigneur, le courroux de Dieu viendra sur toi. Alors tu dis, il faut appeler, appelle, appelle Dieu, appelle Jésus-Christ, que, quand le Seigneur va venir, tu seras, tu, tu, quand tu, tu appelles Dieu, et maintenant, tu as changé. Alors quand le Seigneur vient, tu marcheras avec lui dans les anges, avec les anges, et tu connais le ciel. Mais tu es, tu t'en fous de la vie, tu dans le péché et tu ne vas pas dans ta vie au Seigneur et tu ne vas pas de tes péchés et tu ne vas pas avoir la grâce de Dieu en ta vie, alors tu seras perdu pour le moment tu seras perdu pour toujours. Tu seras perdu pour tenter Et tu, vas, tu, vas te souvenir que tu as été, tu as été averti, tu as été dit, tu as été parlé, tu as été prêché, tu as été évangélisé, tu as été euh, parlé à propos de cela. Alors, c'est maintenant, c'est important de, dans le temps, dans ton âme, ton péché, ton âme, de te détourner tout ce que tu, as tu poursuis, que tu poursuis dans la vie, c'est des choses qui, vont, qui sont insignifiantes. Ça va partir, mais ta vie alors tu vas regretter après cela. Tu vas regretter pour toute éternité. Mais aujourd'hui, c'est le jour de, c'est le jour de la miséricorde, le jour de la grâce, le jour de la grâce, le jour de l'amour de Dieu. Si tu appelles au nom de Jésus, tu seras sauvé maintenant. Alors tu, quand tu seras, quand tu es sauvé, et tu, vas avoir la grâce de vivre, de vivre une vie glorieuse, une vie glorieuse, une vie saine, une vie sainte. Alors il faut demander à Dieu on doit vivre euh, justement, on doit vivre sobre, sobrement. Jésus-Christ est mort pour nous à la croix du Calvaire et pour nous sauver, pour nous, pour euh, donner la rédemption de tout péché. Il faut dire Seigneur, au oh Seigneur, me voici. Alors Seigneur, me voici. Aide-moi à sortir, à m'en sortir de tout péché. Être zélé, être zélé, être zélé à ton travail. Il va, il va le faire, il va le faire, il va le faire. Laisse-le faire. Si tu n'es pas né de nouveau, c'est le, le jus de la sanctification, c'est le jus de la, du salut. Dieu va enlever la, nature adamique dans ta vie. C'est le jus. Il faut dire Seigneur, Seigneur, il dit quoi Je répandrai l'eau pure sur vous et vous serez pur. Et toute votre impurité sera sera lavé. Alors je vais enlever le cœur de le cœur caillou, le, le, le, cœur le cœur le cœur ici euh, dans votre cœur. Le, et du vous aurez le cœur de chair. Alors je vais enlever le cœur de, de caillou, le cœur ici dans vos cœurs, le cœur ici et je vous donnerai un cœur de chair. Alors la sainteté, la sainteté, la sainteté sera sur votre cœur, la sainteté sera dehors, la sainteté sera partout quand vous allez n'importe vous portez la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu appelle Dieu et dit, c'est ce que je veux. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi, car sans la sainteté, tu ne verras jamais le Seigneur. Et la sainteté de ceux qui ont l'ont, c'est ça qui va lui illuminer leur voix, ça qui va illuminer leur voix il va les aider à aller au ciel. Il faut venir illumine avec Dieu, avec ta pureté, illumine avec ta vérité. Alors dis, maintenant, montre-toi, montre-toi, montre-toi comme tu es pur, montre-toi ta pureté, Alors marche avec Dieu et dis Dieu. C'est le moment de chercher Dieu, je cherche la face de Dieu afin soit que tu, il, il envoie sa pureté, Laisse-le, laisse-le marcher dans ta vie, laisse-le marcher dans ton âme, laisse-le te purifier, laisse-le marcher, laisse-le sanctifier, laisse-le te préparer pour la vie du Seigneur Jésus-Christ il faut laisser le faire. Laisse-le faire. Si tu viens à l'étude de la, euh, l'étude, de la, de l'étude biblique et tu n'as pas de nouveau, il faut laisser Dieu le faire maintenant. Il faut pas venir, il faut pas venir à l'étude biblique et aller à l'enfer. Non, ça, sera, ça sera en vain. Ça sera en vain. Viens à la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu, prépare-toi pour l'enlèvement, prépare-toi pour la vie de Christ, prépare-toi pour le ciel, prépare-toi pour un lieu vraiment joyeux au nom de Jésus. Alors, tu vas dire que Dieu t'aide, que ta vie, que ton caractère, son attitude soit différent et ta vie sera. Alors tu pourras dire que Seigneur, merci, je te remercie parce que j'avais écouté. Merci, parce, merci parce que j'ai donné mon corps. Merci parce que je me suis donné à Dieu. J'ai écouté la parole de Dieu. Et ça, ça, a fait, ça a eu un effet. Ça a fait d'infraction. Ça a fait d'impact dans ma vie. Ça a fait un effet. Ça a, fait un travail dans ma vie. Je remercie Dieu parce que j'ai écouté la parole. Cette parole de Dieu que tu écoutes, si tu écoutes, cette parole te fera et va te préparer pour la vie de Christ. Mais si tu n'as pas de nouveau, Comment es-tu préparé Si tu ne vis pas une vie sainte, une vie pure, comment es-tu comment es-tu préparé Si tu ne vis une vie pureté, si tu n'es pas donné totalement à Dieu, comment es-tu euh, prêt Si tu es faible et tu tombes dans le péché chaque jour, comment es-tu prêt? Mais quand ta vie est sainte, ta vie, tu es purifié dans le sang de l'agneau. Quand tu laisses le sang de Jésus de te faire pur, de te mettre, tu es devenu une nouvelle créature. Toutes choses sont, toutes les choses sont, sont passées. Voici maintenant tu deviens une nouvelle créature. C'est le moment que tu es devenu pur, c'est le moment que tu es prêt, c'est le moment que tu peux marcher être Il faut dire Dieu, ferme, laisse la parole de Dieu te le ferme Maintenant, sois sombre, mais sois vigilant. Sois vigilant parce que le diable est en train de chercher n'importe où tu, tu n'es pas prêt, tu ne sais pas, alors le diable viendra te pousser. Alors dis Dieu, aide-moi pour que je sois veillant, je sois regardant, je sois observant, pour que le diable, tout ce qu'il fera, celui qui m'a envoyé, celui qui nous a appelé est fidèle. Celui qui m'a appelé est fidèle, alors moi je serai fidèle. Celui qui il va te faire soit saint, il va te faire d'être saint, et toi aussi tu peux aussi distribuer la, la vie d'une sainteté aux autres personnes. Et tu vas dire que Seigneur, aide-moi à pouvoir une vie, une vie saine, une vie pure et je serai pieux, je serai pieux, pieux, et donné, je, chanterai une chanson, la chanson de la chanson de, la rédemption, la chanson de la rédemption. du Dieu maintenant avant que tu ne partes, et dis Seigneur, fais que j'ai dans ma vie maintenant, fais que j'ai dans ma vie maintenant au nom de Jésus transforme-moi, lave-moi, mets-moi, fais-moi une nouvelle personne.